TM Transport Voyageur, Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, clôture cet après-midi au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey du troisième sommet des jeunes filles africaines, placé sous le thème Culture, droits humains et responsabilité. Accélérer l'élimination des pratiques néfastes. C'était sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Des détails dans ce reportage. Placé sous le leadership du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ce troisième sommet de jeunes filles africaines ouvert le 16 novembre 2021 par le président de la République, Bazoum Mohamed, dans le but d'échanger sur les problèmes de la jeune fille africaine. Autour de 16 panels et sessions en présence de plusieurs États membres d'Afrique, initiés dans la lutte contre les pratiques néfastes, afin de trouver un plan stratégique pour éliminer tout genre de violence à l'égard des enfants. What Vision continuera de collaborer avec le gouvernement alors qu'ils font preuve d'un leadership plus fort pour mettre fin au mariage des enfants en alignant les lois et les politiques nationales sur le droit international, en garantissant l'âge légal du mariage de 18 ans et en veillant à ce que ces lois et politiques soient mises en œuvre et dotées de ressources concevoir, mettre en œuvre et développer des programmes communautaires et locaux, des initiatives de sensibilisation et de changement de comportement social et s'associer à des chefs religieux traditionnelles et communautaires pour changer les attitudes, les comportements, les traditions et les pratiques néfastes qui contribuent au mariage des enfants. Le représentant de l'UNICEF a relevé tous les défis face à cette situation de la jeune fille africaine. De nouvelles menaces ont été identifiées pour la réalisation progressive des droits des filles en Afrique. Il s'agit notamment des effets de la crise climatique et du sous-emploi, des épidémies sanitaires, de la fracture numérique, de l'exploitation en ligne, de l'insécurité et de la violence. Le changement climatique étant une cause avérée de l'augmentation de la pauvreté, des migrations et des conflits. Une proportion toujours plus grande d'adolescents est confrontée à des difficultés pour réaliser ses droits. Les impacts du changement climatique sur les filles inclut l'abandon scolaire, le mariage des enfants, l'augmentation des risques de violences sexistes et la diminution des opportunités de travail. La COVID-19 a mis à nu les inégalités structurelles qui font courir des risques aux plus vulnérables. La pandémie a contribué à l'augmentation de l'une des formes les plus extrêmes d'inégalité entre les sexes la violence contre les filles et les femmes. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant réitère l'engagement du Niger dans la lutte contre les pratiques néfastes à l'endroit de la jeune fille. C'est le lieu aussi de réaffirmer l'engagement du Niger à soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de ce sommet en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union africaine. Nous pouvons sans risque de nous tromper dire que le troisième sommet des filles africaines tenu du 16 au 18 novembre 2021 s'est achevé avec succès. Je ne terminerai pas mes propos sans saluer une fois de plus l'appui technique et financier du secrétariat exécutif de l'Union africaine tout au long de ces jours d'intenses travaux. Je renouvelle également mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent quotidiennement nos États dans la lutte contre les pratiques néfastes. Notons que ce sommet de jeunes filles africaines est non seulement une occasion pour les jeunes filles de reconnaître leurs droits, mais permet de mettre fin à tout genre de violence à l'égard des enfants. Il faudrait rappeler l'engagement de l'Union africaine sur l'appel à l'action de Niami. À ce troisième sommet de jeunes filles africaines qui sera leur feuille de route tout en lançant un appel à tous les participants à un travail de manière collective pour innover les bonnes pratiques de l'Afrique et lutter contre les pratiques néfastes. Cérémonie de signature de convention de partenariat entre la Nigélec et Al-Isa ce matin, un partenariat qui va permettre à la population de payer ses factures dans les agences Al-Isa. C'était à l'hôtel Gawai en présence de plusieurs invités et de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdel Nasser Abdou. Payer sa facture de la Nigélec dans les agences al c'est le fruit d'une convention de partenariat entre le géant de transfert au Niger d'une part et la Société nigérienne d'électricité d'autre part. La cérémonie de lancement du mode de paiement a été effectuée en cette matinée de 18 décembre 2021. C'est en présence du secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, des cadres de la Nigelec, mais aussi du groupe Al-Isa. L'allocution première fut prononcée par le directeur général de la société qui assure le service public de fourniture de l'énergie électrique au Niger, qui explique le pourquoi de ce partenariat. Auparavant, le règlement des factures d'électricité se faisait uniquement au niveau des points d'encaissement de la Nigélec. La croissance du nombre d'abonnés enregistrés ces dernières années a engendré de fortes affluences au niveau des guichets de la Nigélec ce qui a eu pour corollaire de multiplier les temps d'attente des clients à certaines périodes. Pour y remédier et à la faveur du développement de nouvelles technologies, la Nigélec a signé des conventions avec divers partenaires pour le paiement des factures d'électricité. La présente cérémonie consacre l'élargissement de cette offre à travers le lancement officiel de l'opération de paiement de factures d'électricité de la Nigelec via le réseau des agences de Alisa Transfert d'argent international. Ce partenariat a deux phases. La première qui concerne le paiement des factures pour les compteurs post payés classiques et une seconde phase à venir qui concernera l'achat de crédits pour la recherche des compteurs après paiement. Avec ce nouveau partenariat, Alisa met à la disposition de la clientèle Nigélec plus de 500 agences reparties sur l'ensemble du, territoire national pour le règlement de leurs factures. C'est donc le lieu de lancer un appel aux abonnés nigélec qui le souhaitent de tirer profit de cette nouvelle opportunité qu'offre Alisa et au-delà de toutes les solutions modernes de paiement de factures à leur disposition assurer un service de proximité à moins de coûts pour satisfaire à mieux sa clientèle. Telle est la démarche entreprise par le groupe Al-Isa d'après son directeur général. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour dépasser les attentes de nos clients dans un esprit de partenariat durable. Je voudrais pour cela vous exprimer ma profonde gratitude, Monsieur le Directeur Général de la Nigerec, ainsi qu'à vos proches collaborateurs, pour la patience et l'intérêt disponibilité dont ils ont fait montre pour que ce partenariat voit le jour afin d'améliorer davantage le quotidien des Nigériens. Au vu de cela, on peut sans exagérer prévoir l'impact économique et social d'un tel partenariat qui garantira à l'ensemble des Nigériens un accès facile à un profilio riche en produits et services innovants. Avec cette initiative, les produits de Aliza et celui de la Nigeria sera encore beaucoup plus à la portée des Nigériens. Et cela, quelle que soit leur position géographique, et ce, à travers nos réseaux de plus de 500 guichets et ceux de nos partenaires, à savoir Solus, Aliza Transport. À cet effet, les clients pourront bientôt accéder au service suivant, Paiement des factures d'électricité dans les guichets de Aliza Transfer et sur toute l'étendue du territoire après la signature officielle de la convention de partenariat, ce fut une démonstration de paiement. Une facture de 110 000 francs CFA a été payée avec grand succès. En attendant le paiement via Al-Isa Monnaie, ce accord de partenariat va très certainement améliorer le quotidien des Nigériens en facilitant l'accès au paiement des factures pour cette population qui a le plus souvent besoin de faire une queue pour payer sa facture. Toujours ce matin, l'Association des scouts du Niger a procédé à la cérémonie officielle de la présentation de leur nouvelle ambassadrice au centre du scout de Kouarategui. C'était en présence du président général du scout, Ali Omoru, compte rendu avec Hassi Gallo et Abdelmoumouni Abdou. L'Association des scouts du Niger est un mouvement éducatif pour les jeunes. Fondée sur le volontariat, elle agit dans le respect de la dignité de l'homme, de l'intégrité de la nature, de la paix et de la coopération entre les peuples, ayant pour mission de contribuer à l'éducation des jeunes sans distinction de religion, d'ethnie, d'origine sociale en leur offrant la possibilité de prendre part à un ensemble d'activités leur permettant de devenir des citoyens responsables. La vision du scoutisme est de contribuer à la création d'un monde meilleur. La question de la violence contre les enfants, contre les femmes, est une de nos priorités. Et nous allons continuer ce combat. Dans la présentation, on vous a fait part du partenariat que nous avons avec l'UNICEF. Ce partenariat continue dans le cadre du programme APSHIT qui va nous permettre de former 4800 jeunes issus des CFM, des centres de formation euh, en métier. Donc 20 centres par région ont été identifié avec le ministère de la formation professionnelle et nous allons former ces 4800 jeunes. Et parmi eux, les meilleurs vont être primés. Les meilleurs auront droit à un voyage d'études en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et pour nous, c'est une occasion en or de les recruter dans les rangs du scoutisme nigérien. Donc, euh, nous sollicitons votre accompagnement pour que des projets importants soient mis en œuvre dans le cadre de cette importante thématique que vous portez. Parce que les meilleurs scouts sont ceux-là qui intègrent le mouvement euh, au bas âge. Donc il n'est pas question qu'ils puissent être victimes d'une quelconque forme de violence. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et vous l'avez dit tout à l'heure lors de la visite, que votre institution est partenaire de l'organisation mondial du mouvement scout sur toutes les questions de for forums. Et je vous l'avais dit, dans toutes nos activités, dans tous nos grands événements, le premier module qui est dispensé reste et restera la question du for home, parce que nous en tenons fermement. C'est ainsi qu'ils ont sollicité l'accompagnement de la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Niger sur la violence faite aux enfants pour les accompagner dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au Niger. Cette dernière s'est engagée à être leur messagère et soutien à les accompagnant dans cette lutte. Sachez clairement, j'ai tenu à mettre dans mon planning cette visite parce que je suis persuadée Bien sûr, j'ai rencontré les décideurs politiques, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ceux qui travaillent à changer le système. Et, c'est important, parce que vous êtes une organisation importante. L'autre point, vous m'avez demandé d'être l'ambassadrice, ça c'est clair. Je suis ici pour aussi être un pont pour vos messages vis-à-vis des décideurs politiques, pour être sûr, et je l'ai dit dans le pré-sommet euh, où il y a eu tous les meetings des jeunes, les jeunes sont des acteurs, ce n'est pas des récipients passifs de services. Les enfants et les jeunes sont des acteurs. Donc il faut qu'ils soient dans l'étape de discussion, dans l'étape de mise en œuvre des, négociations de mise en œuvre des programmes, dans euh, les, les, négociations sur les suivis, dans les mécanismes de redevabilité. Ça, c'est clair. Et on doit leur donner cette chance et opportunité, et particulièrement aux plus vulnérables, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont invisibles. Donc, clairement, honnêtement, ça, c'est un je suis votre messagère sur ce volet-là et je le serai. Euh, Il faut retenir que l'association soutient chaque jeune dans la responsabilité de son propre développement et de participation au processus de développement social, économique et culturel en s'interdisant toute action ou propagande à caractère politique ou religieux. Bon vent donc à la nouvelle ambassadrice désignée par les scouts du Niger. À Niamey, certains quartiers sont submergés des poussières à certaines heures de la journée, souvent causées par des bronsons latéritiques. Cette poussière est source de désagréments pour les riverains des quartiers. Des détails dans cet élément du studio Kalongo. Cette latérite, bon, tout d'abord, nous allons remercier les autorités qui ont eu la volonté de mettre ça. Ça m'a suivi la latérite, il y, a, normalement de l'eau qui doit être versée chaque matin pour un peu apaiser la poussière. Il n'y a même pas d'activité dans le quartier. Tout au long de la latérite, les activités ont cessé. Parce que la poussière a des inconvénients. muna sai da abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ba su son ƙura irin hakan nan sannan kuma kiliyan waɗanda suke zowa akwai wanda idan aka zo aka sa abinci irin hakan nan sai ce ƙura ta yi yawa nous avons vraiment appris avec désolation que le les travaux euh, euh, de la route tronçon euh, signataire Malam Kwara ne sera pas vraiment exécuté. Alors qu'ils ont eu déjà à faire le terrassement qui consiste déjà à enlever la couche ancienne pour euh, euh, la continuer des travaux. Et ce que nous vivons en termes de, de, poussière, si on peut le dire, vraiment l'endroit est devenu vraiment invivable invivable parce que euh, les habitants de ce quartier sont en train de mourir à petit feu à petit feu. On ne peut pas vraiment rester même dans la cour de chez soi. Risque vraiment de, de, euh, euh, des maladies. Ce que nous souhaitons, c'est que ces autorités et les autorités en charge puissent vraiment créer les conditions pour que euh, le le sans restant, qui est cimetière Saga et Malampoara, soit enfin terminé. de douane 2018 ont pris d'assaut ce matin le ministère des Finances pour manifester leur mécontentement face au silence du ministère après l'arrêt du Conseil d'État. N'est-ce pas, Quatre mois après l'arrêté du Conseil d'État qui a donné raison aux admissibles de concours de la douane 2018, jusqu'à présent l'exécution de la décision prise a été bloquée au niveau du ministère des Finances. Ces admissibles qui réclament toujours leurs droits se sont rendus au ministère des Finances pour manifester leur mécontentement et leur impatience face à la réticence du ministère de tutelle d'appliquer la décision de la Cour d'État. Nous sommes en droit de nous demander de nous demander si nous sommes dans un État des droits véritablement ou pas. Qu'est-ce qui bloque l'exécution de cette décision Que les ministres nous disent enfin qu'est-ce qu'il entend faire de nos droits. Le Conseil d'État nous a consacré des droits acquis. Il a dit que nous avons des droits acquis suite à ce concours-là. Toutes les voies de recours ont été épuisées. Il n'y a pas eu de recours. Il n'y a pas eu de recours fait, fait par l'administration, notamment tendant à réviser la décision du Conseil d'État. Et du coup, on pense que dans un état de droit, l'administration ne fait que constater et valider le concours en nous mettant dans nos droits. Mais hélas, comme vous pouvez le constater, chers journalistes, vous êtes toujours ici avec nous. Vous êtes toujours ici avec nous, mais jusqu'à présent, aucun mot venant de l'administration. On était à l'intérieur pour voir le ministre, pour rencontrer le ministre. Donc, euh, on nous a dit que le protocole va nous recevoir euh, pour nous amener auprès des ministre. Mais on a attendu, on a attendu, aucun signe n'a été fait. La garde est en train de nous retenir pour nous perdre du temps. On a compris que c'est dilatoire. En réalité, le ministre ne veut pas nous recevoir puisque il y a de cela plus de 3, à 4 semaines que nous avons déposé, des demandes d'audience successives. Mais aucune, réponse de la part du ministre. Le CTO, on l'a commencé depuis et on va le continuer jusqu'à la satisfaction ces candidats admissibles au concours de la douane se disent prêts à se battre corps et âme jusqu'à ce qu'ils trouvent satisfaction. L'État, pour sa part, doit prendre les décisions doit sur la situation pour mettre ces admissibles de leurs droits et mettre fin à ces bras de fer qui les opposent au ministère des Finances et qui a trop duré. Allons dans cette édition à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où l'Union des étudiants de l'Université de Tawa a bravé les pavés ce matin à travers une marche pacifique de l'Université de Tawa au gouvernorat. L'objectif de cette manifestation est d'interpeller les autorités politiques de la région sur l'insécurité qui sévit dans la ville de Les précisions avec le secrétaire général de la région de l'université d'Ottawa. Hier, j'ai été appelé par des camarades qui m'ont fait cas d'un cas très grave d'une agression d'un voyou, je le qualifie de voyou, qui a agressé un de nos camarades euh, avec un couteau, jusqu'à trois coups de couteau. Le camarade, après l'acte, il a été évacué, mais avant même d'être évacué, il était déjà loin. Il a perdu beaucoup de sang. il a succombé suite à ses blessures au niveau de l'hôpital régional d'État. Et après ça, on a cherché à savoir de plus par rapport à, à ce qui a réellement poussé ce voyou, cet assassin à poser cet acte. Dans la journée, ce même gars a essayé de pénétrer une cité universitaire, à savoir la cité totale. Les camarades lui, les camarades lui ont empêché l'accès. Il l'a jugé utile parce que les camarades, la, la victime, il, il était parti réviser ses cours. Vous le savez, juste derrière la cité totale, il y a des maisons inhabituées. C'est un peu la brousse et autres. Et l'individu a profité de l'occasion pour poignarder sûrement pour un règlement de comptes. Mais nous, euh, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que l'étudiant n'est pas en sécurité. Chacun de nous peut être surpris à tout moment et peut être assassiné à tout moment. C'est ce qui a suscité tout d'abord euh, la convocation par le comité exécutif du d'une assemblée générale extraordinaire pour abuser la base, pour qu'ensemble nous puissions prendre des décisions et qui vont engager l'Union. voilà, et de, ces décisions ont été prises. On a jugé utile aujourd'hui, dans la matinée, de faire une marche pacifique et ça a été historique parce que les camarades ont marché pacifiquement jusqu'au gouvernorat. de la cité du défunt jusqu'au gouvernorat, on a marché pacifiquement pour aller non seulement montrer notre mécontentement et, aussi exiger à ce que justice soit faite pour le repos de, l'âme de notre camarade. Oui, l'agression est volontaire et, et intentionnelle parce que c'est un acte très lâche et surtout barbare. Euh, aujourd'hui, ce qui est important est que cet individu-là, il y a beaucoup de gens comme lui ici à Tawa. C'est ce qui doit être important pour nous. Ça veut dire qu'il y a l'insécurité qui est là, l'insécurité qui est là, les étudiants ne sont pas en sécurité. À mon niveau, nous allons prendre des mesures pour que les étudiants soient en sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait nécessairement que l'autorité politique aussi s'y mette réellement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus se baladent avec des armes blanches jour et nuit